jërëjëf mbokk Podor TV ñu ngi leen nuyu di leen dalal seen beneen numéro l'entrevue donc tey ñu dalal un juriste privatiste di dalal un chroniqueur juridique et politique di dalal un assistant expert en ressources humaines di dalal le chargé de com bi nga xamante ne mi ngi nekk ci mairie de la Padoa mais aussi mi nekk chargé des affaires juridiques foofu ci mairie bu Padoa di dalal un juriste à l'ipresse agent contentieux dalal un membre du mouvement Al-Sahar et dalal un membre de la cellule du cadre du mouvement Al-Sahar et dalal un membre du mouvement Beno Bokoyakar. et di dalal aussi on investit sur la liste proportionnelle Beno Bokoyakar Fitch fii ci commune Podor suis invité à moi Boubacar Mohamed Sy lay dalal. mon cher ami comment vas-tu Je ngi lay fay. mang remercie lay maa lay jaajëfal bu baax remercier TV. Non, non, c'est moi qui remercie parce que c'est une initiative que je salue. Content qui remercie ma Merci. Donc, euh, on a beaucoup discuté en coulisses. <laughs> J'espère que l'émission est Effectivement. Et que chacun en prenne de la graine. Parce que fondamentalement, c'est ça. Absolument. Alors, comme nous avons hein, donc, euh, tu présentation, tu un juriste privatiste. Tout à fait. Taïti as présentation buñ doon wax euh, Boubacar Mohamed Sy en tant que juriste c'est-à-dire lan moo à ce que mu def wala suivre des études ci wàllum droit lan nga ñuy wax. waaw euh, question mhm. c'est une question qui ne sera pas compliquée à répondre. Pourquoi Parce que je peux dire que je suis issu d'une famille de juristes. Ah oui au vrai sens du terme. Mhm des juristes qui ont eu à travailler dans ce pays, qui ont occupé mm-hmm. des fonctions juridiques. mon mm-hmm. membre constitutionnaliste Seydou Madani si brillant constitutionnaliste qui a même fait des œuvres mm-hmm. sur le droit constitutionnel. mais si Seydou Madani mon père. qui habite à la Padoue est un juriste. il est il a il est conseiller juridique en réalité donc. Mhm. Naturellement, je suis issu d'une famille mhm. de juristes et j'ai subi cette influence. Ce qui fait qu'après euh, le bac, mhm. euh, sans qu'on m'ait poussé à faire des études juridiques, naturellement, man m'a opté pour faire le droit à l'UCAD. Donc c'est un choix personnel Oui, c'est un choix, je dirais c'est un choix personnel, mais un choix qui découle en fait de mon environnement immédiat. Je suis issu d'une famille de juristes Mhm. Donc, quand tu es issu d'une famille de juristes, euh, tu entends qu'on parle de droit. Euh, mhm. Quand on parle de droit, naturellement, les gens sont du, milieu sont très, font attention. Donc, j'ai subi cette influence et naturellement, j'ai opté pour le droit, ce que je ne regrette pas, mhm. parce que pour moi, le droit, c'est une, une, des plus belles sciences qui puissent exister, les sciences humaines. Effectivement, effectivement, surtout par rapport à la euh, société, mais aussi par rapport aux individus. Mais pas n'importe quel juriste, juriste privatiste. Qu'est-ce que ça signifie pour nous Non, ça veut, ça veut dire simplement que j'ai fait des études en droit privé. Mhm. Il y a nous savons tous qu'il y a deux, branches du droit, il y a le droit public et le droit privé. Effectivement. Donc le droit privé, c'est le droit public, je vais commencer par là, c'est tout ce qui touche à l'administration, à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics. Effectivement. Et le droit privé, c'est le monde des affaires, mhm. c'est le monde, euh, je veux dire, euh, des des, je veux dire, des personnes euh, comme toi et moi, mhm. tu vois, des personnes physiques. Donc, ça m'a intéressé, c'est le droit pénal, c'est le droit des affaires, c'est le droit des biens. Bon, mhm. j'ai l'habitude de, taquiner un peu les, les, juristes publicistes en leur disant que le vrai droit, c'est le droit privé. Ah oui euh, Je le dis <laughs> souvent. Mais fondamentalement, tu es basé ou pour Non, parce que c'est le droit. théoriquement, c'est le droit privé en, réalité qui régente notre société, je veux dire. c'est le droit privé qui règle, par exemple, les problèmes qu'on a, toi et moi. C'est à travers le droit pénal. Il faut être, quand tu es pénaliste, après avoir fait du droit, du droit privé, c'est le droit des biens. Mais quand c'est privé C'est le droit des obligations, c'est le droit des contrats. Quand c'est privé Oui, tout à fait. Le droit des Mais tu n'es pas privé quand même. Non, en fait, le, en fait la, la, la, connotation, c'est le En fait, la branche, c'est le droit privé. D'accord. Et donc, quand tu es diplômé de droit mhm. privé, tu es privatiste. Effectivement. Tu vois. Donc, euh, grosso modo, c'est ça. le droit, c'est une matière, c'est une, en fait, une discipline qui me passionne, que j'ai aimé, que je continue et je continuerai de suivre. Mhm. Cela ne m'empêche pas de, m'ouvrir à d'autres branches. Mhm. C'est important. Mhm. Pour moi, un intellectuel, c'est pas, on l'apprécie pas selon ce qu'il a étudié. Un intellectuel, c'est, c'est la diversité. C'est même être à l'aise avec des matières qu'on n'a pas choisies, pour lesquelles on n'a pas fait des études. Effectivement. Alors, en parlant toujours de droit, si nous les Tu loi, un règlement, c'est-à-dire que réussir une vie en société, si nous avons une analyse, surtout sur le régime au Sénégal, c'est un régime dit démocratie. Bon, en tant que juriste Bon, la question me paraît très évasive. Je sais droit de voyage. Mais effectivement, le Sénégal, c'est un pays démocratique. Ça, on peut le dire, parce que le Sénégal euh, a des institutions. Hein. La Je pense qu'il faut même, euh, pour, beaucoup plus, pour une compréhension plus aisée, mm. expliquer ce que c'est la démocratie. On peut dire c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. C'est c'est ce qui est admis universellement. Abraham Donc, c'est un régime où c'est le peuple qui est souverain et c'est le peuple qui exerce le pouvoir. Effectivement. Au Sénégal, c'est le peuple, je pense, qui exerce le pouvoir. Mais est-ce que c'est -ce le peuple qui exerce le pouvoir ici au Sénégal C'est le peuple qui choisit ses représentants. On a une représentation directe. C'est le peuple qui choisit son président de la République. Hmm. Tout le monde ne peut pas agir, donc on choisit une personne qui agit à notre place et pour notre compte. Oui, mais est-ce qu'on n'a pas un processus électoral qui, est, qui paraît biaisé je pense que cette question-là ne répond pas fondamentalement à la, en fait, euh, à la démocratie au Sénégal, qui est un pays démocratique. Mhm. Oui, en bon sens. Le Sénégal est un pays démocratique. Je vais répondre à cette question parce que le Sénégal a des institutions qui fonctionnent, a des représentants qui sont là pour assurer la marche du pays. Il y a la séparation des pouvoirs. Où, euh, voilà, tout ça s'est fait euh, on, voit, on voit en fait ces mécanismes-là dans un régime démocratique. Maintenant, par rapport à ta question, que je comprends bien, effectivement, je pense que c'est une œuvre humaine perfectible. Par conséquent, tout ce qui va dans le sens de rendre cette démocratie meilleure, mm-hmm. on doit la prendre mm-hmm. et on doit y travailler. Mm-hmm. Et je ne pense pas que le Sénégal euh, est un roi. <laughs> Le Sénégal a un président de la République qui est soumis à la légalité, aux lois et aux règlements. Donc, euh, par conséquent, je pense qu'on est réellement dans une démocratie qui fonctionne. Mais quand on parle de démocratie et on parle de séparation de pouvoir, et pourtant, le président de la République, euh, par rapport à la justice d'ailleurs une justice qui est très dénigrée la euh, justice bi ba indépendance parce que gis nañ ne toujours pas am un problème buy posé par rapport aux opposants ci walum justice une justice, leen waree liquider wala buñ ñu leen liquider dañ koy ci justice par rapport au conseil supérieur de la magistrature même vous waré voulez tenir réunion la présidence dañ koy tenir c'est le président qui koy moo koy réunion boobu ndax euh, par rapport à la séparation des pouvoirs ak droit bi nga justice sociale ndax japp nga ne. Sénégal vraiment démocratie bu forte comme Nico, euh, le secrétaire d'État des États-Unis bi nga Anthony Blinken ko ndax nga démocratie forte. Bon, moi je suis déjà très content de la manière dont tu as posé ta question. Mm-hmm. Parce que toi, mm-hmm. euh, une question bien posée et à moitié résolue. Mm-hmm. En posant ta question, tu as dit, tu me permets de te tutoyer D'accord, pas de souci, on est ensemble. tu as dit euh, la justice, mhm. on l'indexe quand il est question de parler de la, du cas des opposants. Effectivement. Des cas des opposants. Mhm. Donc, c'est une nuance très importante. Mais tu vas me permettre de, de, de répondre sur une euh, question importante. Mhm. Euh, effectivement, je pense qu'il y a une séparation des pouvoirs. Il y a un pouvoir judiciaire, il y a un pouvoir exécutif et un pouvoir législatif. si, théoriquement, si on prend les textes, mhm. la justice, elle est très indépendante. je pense que ça, c'est euh, l'avis du juriste. Mhm. Euh, tu sais, en France, par exemple, mhm. on parle d'autorité judiciaire. Au Sénégal, on parle de pouvoir judiciaire mais a une différence entre autorité judiciaire et pouvoir judiciaire. l'autorité ça veut dire que c'est pas encore érigé en pouvoir un pouvoir c'est c'est ça veut dire ce que ça veut dire c'est s'affranchir de, de toutes sortes de contraintes c'est c'est c'est c'est en vérité comment je vais l'expliquer c'est ne pas ne pas pouvoir subir de, de pression c'est pouvoir arrêter un autre pouvoir mais est-ce qu'il y a juste une orthographe Est-ce je vais, je, vais, je, vais, étayer, en vérité. Mhm. Quand je dis que théoriquement, euh, on a un pouvoir judiciaire, ce pouvoir judiciaire, il est conçu de sorte que mhm. les magistrats, ils puissent juger selon leur euh, intime conviction. Je vais t'expliquer un peu le fonctionnement de la justice. Il y a deux types de magistrats, deux sortes de magistrats. Il y a les magistrats debout et il y a les magistrats assis. Les magistrats de, siège. Les magistrats de siège, tout à fait. C'est eux. Mhm. C'est eux qui jugent, qui disent le droit. Mhm. Eux, ils sont protégés par une règle qui s'appelle l'inamovibilité. Autrement dit, mhm. ces magistrats ne peuvent être mutés sans leur consentement. C'est pas possible règle-là a été mise en place en réalité pour permettre une indépendance des magistrats. C'est eux qui disent le droit. Mhm. Le parquet, c'est les magistrats debout. Ils sont soumis à la tutelle qui est le ministre. En fait, ils sont soumis hiérarchiquement entre eux, mhm. mais ils sont soumis au ministère de la Justice. Parce que c'est le président de la République qui définit la politique pénale du pays. Par conséquent, il doit pouvoir faire passer sa politique au niveau du ministère de la Justice. Ça, c'est l'organisation de la justice. Mais ces magistrats du parquet-là, qui sont par ailleurs les avocats du mm. peuple, ils sont partis au procès. Bon, euh, euh, j'entends qu'on parle de leur indépendance, mais eux aussi, euh, ils peuvent être indépendants, hein. ils le sont d'ailleurs. Parce on dit. mais, comment Parce que même l'Union des magistrats du Sénégal, on dit la, dirigé par. On dit la parole est libre. Lors de, leur eux, ils c'est eux qui qui qui qui font des plaidoiries en fonction du. oui mais nous, nous avons une magistrature bi ont euh, euh, c'est-à-dire dafa ne. Euh, exécutif bi dañ dafa coincé. qui en particulier ñan sommes coincé en particulier l'union des magistrats du Sénégal nous, sommes ko wax. c'est-à-dire que nous avons ne indépendance dafa descendre. Oui, mais c'est de bonne guerre c'est normal. ils veulent une ils veulent une indépendance renforcée tout le monde veut une indépendance renforcée. Hein. donc est-ce que nous sommes un idéal. Parce que non, toujours, tu sais, dans, tous les pays, dans tous les pays démocrates. Depuis lors, parce qu'après tout aussi, euh, il y a eu des dossiers, ça a été des dossiers brûlants. Lesquels dossiers Vous mélangez le dossier euh, Karim Wad, aussi le dossier Khalifa Sall aussi. Donc, on a des dossiers qui ont secoué secouer euh, scène politique bon je suis sénégalais. Ouais, mais tu sais, déjà, je vais faire une précision de taille. Il ne m'appartient pas de commenter ces décisions de justice, mhm. mais je, je, conseillerais aux uns et aux autres d'aller lire les arrêts. C'est mhm. extrêmement important. Mhm. Parce que pour beaucoup, ils polémiquent sans au préalable avoir lu euh, les arrêts. Bon, pour certains, c'est la procédure qui n'a qui, pas été bonne. Effectivement, on parle de procédure. Mais enfin, moi, je fais confiance aux magistrats qui sont de brillants fonctionnaires, qui ont fait leurs études ici. Et moi, je n'ai pas pour, euh, en fait, euh, je vais dire, euh, vocation de, dénigrer effectivement des gens, parce que c'est eux qui ont les dossiers en main. Mhm. C'est très compliqué. Généralement, mhm. ces gens-là ne dorment pas, ils font un travail assez rigoureux. Mhm. Donc, dire que un magistrat ou un tel n'est pas intègre, parce que simplement c'est un politique qui est mis en cause, Mhm. Moi, ça me paraît très fallacieux. Pourquoi Non, mais parce que les magistrats, ils jugent tous les jours. Le moi, je ne sais pas si c'est une chance ou malchance, je vais au tribunal tous les jours. Il y a des procès qui sont tenus tous les jours. Mhm. Tous les jours, c'est des magistrats qui le font. C'est si ces gens-là qu'on dénigre n'étaient pas là. Mais ce serait le chaos, le désastre dans ce pays. Mhm. Qui allait régler les conflits entre personnes Qui allait régler les conflits entre l'État et les personnes Parce que l'État perd des procès. Mhm. Procès Mais rarement quand même. Non, non, non. On fait plus focus en réalité sur, mhm. sur les procès dont des hommes politiques sont partis. Tu comprends mhm. Les hommes politiques. Mais souvent, quand il s'agit de l'État, c'est souvent des dossiers, ça concerne peut-être euh, euh, des, des, des terres euh, titre foncier cest euh, les bails amphithéotiques oui je, demee mais rarement hein, rarement là, la sont gis état euh, non dafa. non non non. rarement il faut il faut il faut je je je t'invite à aller voir. Mhm. je pense que les tribunaux sont là fonctionnent normalement. Mhm. et les magistrats sont là ils jugent tous les jours. Mhm. il y a pas de problème majeur. Donc moi, je vois mal. Mais par contre, je vais dire une chose. Mhm. On est pour une justice quand même euh, à améliorer. Ça, c'est euh, dans la vie, toute mhm. œuvre est à améliorer. Mhm. Ça, tout le monde le souhaite, je pense. Et des contributions en ce sens doivent être euh, en fait faites. Et puis bon, voilà, et destinées à qui de droit. Tu vois. Donc, effectivement. Donc, nous avons un contexte électoral assez particulier tey euh, yow fii Padois effectivement c'est particulier parce que euh, parce que tay bu ñu nee élection locale ñëpp dañ naan gox goxaat donc il faut faire euh, non seulement des preuves ci commune bu nga nekk wala nga wala nga am benn représentativité pour ñi ñi mën a am ci yow yaakaar ñu ñu fal la wala ñu falal la donc yow nga préféré ànd ak le maire Banda Diop. tout d'abord d'abord ses relations ak le maire Banda Diop lan la mais lan aussi moo la poussé à ce que pour un deuxième mandat. bon euh, déjà je sais pas si je vais répondre directement à la question ou faire un petit euh, rappel. Mhm. Je ne Mais je pense je vais répondre directement à ta question. Mhm. Bana c'est un collaborateur. Mhm. C'est un frère, c'est un mentor. Parce que moi quand j'entends les gens parler de Bana j'ai envie de rigoler. Pourquoi Oui, parce que les gens, le, euh, en fait, je veux dire, Bana c'est quelqu'un qui a une expérience politique avérée. C'est quelqu'un qui est là depuis, depuis, euh, depuis, depuis assez longtemps. Donc, qui connaît l'État, qui mm. connaît la commune, qui, qui, sait comment les choses fonctionnent. Oui, depuis longtemps, mais c'est depuis 2014. Je vais, faire, je, vais, je, vais, je, vais, je vais y aller doucement et expliquer. Bana, il, est, il a été le premier euh, il a été chef de cabinet du premier maire de la commune, du maire Moussa Effectivement. Conseiller municipal depuis. Il a été, il est secrétaire général du Parti socialiste ici. Autrement dit, c'est lui qui représente le Parti socialiste, hmm. qui assure la gestion du Parti socialiste ici. Et il a été au Parti socialiste au moment où le Parti socialiste était même dans l'opposition. C'est quelqu'un qui a fait face au régime de Wad. Effectivement. Qui a travaillé et qui a euh, dirigé une liste en 2009. Cette liste qui a gagné. Donc on, parle d'une personne qui a une expérience politique, mais également euh, une expérience de gestion d'une collectivité territoriale. Ensuite, Bana, c'est un pur socialiste. C'est un produit du Parti socialiste. Le Parti socialiste, de tout le temps, a été pourvoyeur des meilleures politiques au sens attitude républicaine, posture républicaine. D'ailleurs, je, vois, je pense que ça se voit. Ben, il, a, il, a, il, a, il a cette carrure. Tu vois, donc, pour revenir maintenant à la question, effectivement, j'ai eu à collaborer avec lui. C'est quelqu'un qui m'a pris, qui a confiance à la jeunesse, mhm. qui m'a pris sous son aile euh, étant jeune qui m'a confié des responsabilités. Bon, ça aussi, on approuve ça, parce que même, même son chef de cabinet, euh, Tout Léon, c'est un jeune. Léon, mon cher, mon cher frère Léon. Oui. Avant Léon, il y a d'autres jeunes oui. qu'il a promu. Mhm. Mais bon. Mais dans le cadre du travail, ça dit, qu'est-ce que nous par rapport à euh, sa collaboration avec la mère Parce que, tu as dit, pas droit. De façon générale, nous le dit, ou bien. Euh, une, une, partie même de la population dans le euh, que tout sauf Banda parce que il y il, y a eu un moment où on peut-être depuis 2014 les games parce que un maire c'est un maire sortant ñii naan tout sauf Banda quand même est-ce que l'on nous pose des questions. sur li nga xamante ne avec la euh, représentativité en tant que. non tu sais quand tu me dis tout sauf Banda. En fait, là même, mhm. euh, tu mets même euh, sur la table mhm. un argumentaire relayé un peu partout, mhm. mais qui est limite, mais je vais m'excuser, hein, mais qui est limite débile. C'est quoi tout sauf ban En fait, il faut qu'on y aille. Mais au sein de la coalition Beno Bokyakar, avant même de vous retrouver, ça, avant même de vous retrouver, ça provient de. Je, en fait ce que je veux dire c'est que je c'est la coalition. oui je suis d'accord j'entends ce que tu dis. Mhm. mais je veux dire par là mhm. que en fait euh, il n'est pas important de de relever la provenance de ces dires ce qu'il y a ce qu'il y a lieu de dire est que c'est des arguments qui ne tiennent pas la route. parce mhm. qu'en vérité. ces gens-là je ne les connais pas qui disent tout sauf ban » ils n'ont qu'à proposer quelque chose de beaucoup plus rigoureux, sérieux. Tu sais, moi, la décentralisation, ça m'intéresse. Je pense que tu le sais. La décentralisation, être maire au Sénégal est extrêmement compliqué. Être maire partout est compliqué. J'ai l'habitude de dire que être maire est plus difficile qu'être président de la République. Effectivement. Dans la mesure où c'est une concentration de tous les problèmes dans un espace très réduit. Et le maire n'importe lequel maire, je ne parle pas de banane, n'importe lequel maire doit solutionner ses problèmes avec très peu de moyens. C'est pour cela que j'invite les uns et les autres à faire très attention. il faut y être pour entrevoir les problèmes c'est un appel à plus de retenue plus de calme parce que gérer de mettre mm-hmm. et ah, il est plus être maire dans une décentralisation de type je ne dis pas sénégalais, africaine. Oui, mais quand on parle de décentralisation, tu les maires. Peut-être, euh, le budget n'est pas aussi euh, euh, euh concomitant, mais par rapport à des fonds de dotation, mais aussi par rapport à euh, les partenariats public-privé, les maires dit Amal. Est-ce que tu as euh euh gën a population non mais tout le temps il mais ça c'est le propre même d'une gestion on souhaite que ça soit meilleur d'ailleurs c'est pour cela qu'on est en lice mm-hmm. mais euh, ce que tu dis là le maire il le sait il travaille euh, avec des partenaires privés des partenaires publics à travers effectivement sa magnanimité et tout mm-hmm. c'est lui qui est allé chercher ça il n'est pas resté comme ça mais mais, mais mais tu vas me permettre de dire une chose toute simple hein. Mm-hmm. moi euh, et pour répondre à ta question, mhm. moi j'ai choisi Bana pour son expérience, pour sa capacité de résilience, et pour le fait, pour un fait très simple, il a, euh, il a été, il est aux affaires, il sait comment s'y prendre. Et il va bien s'y prendre. Parce qu'il a déjà une expérience solide de gestion communale. Je répète que ce n'est pas facile. Mais ça, ce n'est pas dénigrer les autres. Moi, je suis pour, le, pour, la, euh, pour, des offres politiques, hein, même mmh. s'il y en a très peu pour le moment. Le pluripartisme Oui, euh, non, c'est très compliqué. Dans un régime démocratique, il ne doit pas y avoir trop, trop, trop. Dans, une démocratie comme la nôtre. Encadré Oui, tout à fait. Mais je veux dire simplement que mmh euh, Banin, c'est quelqu'un qui est. C'est un, homme d'État, quoi, je veux mmh dire. Et puis bon, je pense qu'il a fait du bon travail. Et il mérite d'être réélu. D'accord. Donc... Et, d'autant plus que mhm. ces opposants-là, qui sont là, que je respecte au passage, mhm. ils ont absolument, à part le tout sauf Banala, mais qui ne veut absolument rien dire. Ils n'ont pas proposé de programme. Non, ah, mais quand même. Ils, ont... des opposants de taille, quand même à des opposants de taille. Non, non, non, c'est toi. Peut-être, bon, je ne sais pas qu'est-ce que tu appelles opposant de taille. Oui, par rapport, euh, par rapport à taille. Euh, Mais moi, je, respecte ces opposants, hein, je les respecte. Oui, candidat, yo xamantene taille fi ci pas droit. ça dire qu'un d'autre natablé, c'est c'est c'est d'ailleurs Non, attends, attends. Il y a on fait euh, il y a amalgame grave. Comment ça amalgame oh, Je vais m'expliquer. Parce que parce que yo expérience d'ailleurs candidat. Non, je, je, je, je viens à ça. D'accord. Moi je dis simplement une chose. Je dis ceci. Il faut des programmes politiques. Mhm. Il faut un programme politique. Ces gens-là qui parlent, ils n'ont qu'à proposer quelque chose. Ils peuvent, après, dénigrer, c'est de bonne guerre. Mais qu'ils proposent quand même quelque chose. Maintenant, bon, est-ce que avoir du Dayo, mhm. je sais, je sais même pas ce que ça veut dire concrètement, mais lolo non, non, mhm. Dayo Bobo, est-ce que ça fait avancer une ville je je je dama répéter ni gérer yombul un responsable euh, qui sait la difficulté de gérer il y va mollo mollo parce c'est très compliqué c'est ça c'est ça que je voulais dire. <laughs> d'accord donc par rapport à l'élection locale toujours dañ ci nek rek euh, mu mu un enjeu parce que vous ma nee un enjeu c'est parce que dañu dañu dañu toll ci jamono bu vous n'avez pas pas droit ñi configuration mais nous aussi euh, c'est-à-dire euh, toucher de palpable euh, quand on parle de quand on parle bilan. quand on parle de bilan donc toujours nous mais aussi nous nga le marché c'est vrai mais marché bi depuis lors La protection civile ñëw neen bloqué chantier bi parce que dañu les ne normes yi respecté wuñ ko ndax ah. japp nga ne loolu euh, du nekk lu écorché c'est-à-dire euh, tey euh, élection ci c'est-à-dire jëminam ci ci élection locale non non non non non xam nga da nga wax lu important déjà hmm. da nga wax ici c'est bien il y a avant avant avant l'élection de Banda est-ce qu'on pouvait tenir une émission ici il faut qu'on soit je pense très concret c'est possible c'était pas possible d'accord c'était pas possible. Donc il y a quelque ça c'est une initiative à saluer. C'est très bien. Le, marché de la Padoie, s'il fallait qu'on change ça, ça va ouvrir. Dites-nous, mais quand Non, mais on est dans le mandat jusqu'à présent. Le mandat, un mandat, c'est une, c'est une temporalité, c'est dans le temps. Qu'on l'ouvre au début ou à la fin, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'il y a un marché qui est érigé, mhm. construit ici, qui va ouvrir. Mais en tant que maire, de mes responsabilité par rapport à ça l'ouverture du marché la bataille, la mënul mais protection civile ñëw bloqué chantier c'est-à-dire non il y a eu des recommandations qui ont été faites qui sont en train d'être corrigées. mais il y a aussi des élus qui ont voilà qui ont eu à faire des dénonciations. C'est aussi ah, ça. Mais dénonciation, vous légitimez protection civile. Les, maintenant, moi, je vais te protection civile quand même. Oui, c'est eux qui ont. Il y a des gens qui travaillent pour. C'est des dénonciations légitimes quand même par rapport aux normes de construction. Bon, il ne m'appartient pas aussi de, ça, de dire que. Ah si, en tant qu'agent juridique. Oui. Oui. Non, je je t'entends, je dis. Ce mhm. euh, n'est c'est pas à moi de dire que ces recommandations soient, soient légitimes ou pas. D'accord. Je constate simplement. D'accord. Que c'est un bien qui, sera favorable à toute la Padoie et que des personnes œuvrent. Parce que fondamentalement, je pense qu'on parle d'un empiètement à deux mètres. Ça ne doit pas être un problème. Mais plus intéressant, tu penses que le maire, lui, il ne veut pas que le marché ouvre le plus rapidement possible. C'est le premier à le vouloir. Il y, il y travaille. Il travaille pour se faire. Moi, je pense que la première chose à saluer, la première chose à saluer, c'était de, remplacer le marché vétuste qu'on avait. Tu es d'accord avec moi Il a eu le, cran d'essayer de le, de changer, diriger un bâtiment énormissime, mais qui va être bénéfique à, toute la population de la Padoie. C'est simplement ça. Mm-hmm. Euh, donc moi, euh, que d'autres personnes en parallèle travaillent pour euh, pour que ce, projet n'aboutisse pas, qui va aboutir, Inch'Allah, qui va aboutir, qui, a déjà abouti. Mais c'est, moi, je laisse aux les autres le soin de, voir et d'apprécier. C'est eux qui vont apprécier. Moi, j'apprécie pas, moi, je fais des constats. <laughs> D'accord. Donc, par rapport à euh, ta élection, euh, en tant que juriste, euh, c'est-à-dire, bonne bonne bonne bon moi, je pense que euh, ces élections-là sont importantes. Déjà, il y a une innovation majeure, c'est que le maire, mhm. il est connu d'avance. Il y a un changement que les gens voulaient. Mhm. Maintenant, on y va direct. On sait qui est candidat pour être maire. C'est pratiquement, on, vote un et, et avec aussi les personnes qui sont dans la liste. Mhm. Parce qu'il ne faut pas s'y méprendre. Hein quand on investit des personnes de valeur, c'est extrêmement important pour le conseil municipal. Un conseil municipal de qualité, mais euh, le travail sera, je pense, de qualité. Donc déjà, je, salue cette initiative du chef de l'État de, qu'on change effectivement, qu'on connaisse en tout cas en amont la personne qui va être maire. Mm-hmm. Et puis bon, euh, franchement, je, trouve que c'est bien. J'ai pas c'est, bien quand, on rentre dans, le cadre démocratique. C'est bien quand on Quand on rentre dans le cadre démocratique. Mais toi, euh, ce changement-là, il, est plus il est démocratique. Effectivement. Donc, on salue. Mais tu sais, une mm-hmm. démocratie, on va la parfaire jusqu'à je ne sais quand. Jusqu'au, tant qu'on sera là, mm-hmm. il faut parfaire. Mais c'est ça. Quand tu voyages dans des pays qui sont peut-être 100 000 fois plus développé. Tu vois, les gens, ils continuent à travailler. Il faut qu'on ait cette culture-là. On ne peut pas tout faire aujourd'hui. Il faut qu'on ait cette culture du travail et puis qu'on continue de réfléchir à comment parfaire les choses. C'est simplement ça donc moi je salue l'initiative qui est en fait, la, la, réforme là qui est bien. Les nii yaa ngi wax que euh, opposant au bandai. <laughs> mais tu vas pas revenir sur eux. si hein? si si je vais revenir ñoom parce que <laughs> non da nga am loo wax sànq relancer mais fallait que fallait que je. mais je n'ai je, pas dit rebondir tu dis. non dis-moi dis-moi qu'est-ce que j'ai dit. par rapport aux opposants, parce que da nga ne euh, lan la lan lan a proposer lan proposer c'est-à-dire mais le maire bandai aussi c'est-à-dire qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il propose. Euh, pour un second mandat. Mais il va pas achever ce qu'il est en train de faire. Mais de toute façon, nous. Oui, ça, ça rentre dans le cadre du bilan. Mais ce qu'il propose je dis pour, un second mandat. Je dis achever. Le bilan, il est là. On va continuer ce qu'on avait, ce qu'on a entamé. D'accord. Tu sais, même le président Macky Sall, en partant, il va laisser des chantiers. Les autres, je veux dire simplement par là que le maire, de toute façon, il va continuer. Il a, il a des choses à finir qu'il va finir. D'accord. Et il va, il va naturellement. Lui, il va proposer son programme. On est là pour, pour ça. Ne t'en fais même pas pour ça. On y travaille et puis bon, voilà. Et de, toute façon, tu as entendu hier. je sais que tu savais qu'on recevait notre. Le, le, le, le là. le candidat de Dakar, mhm. qui est, je pense, lui aussi un homme d'État. C'est quelqu'un de moi réellement j'ai beaucoup de sympathie pour lui, mais je pense que c'est pas l'objet du débat. Abdoulaye Youssar. Ouais, c'est un bon, je le dis partout, je l'ai toujours dit. Mais c'est pas. Donc il y a un adversaire coriace en face de lui, Barthélémy Diaz. Euh, bon, je sais que. On est d'accord là-dessus. Bon, euh, ce que je sais, ce que je vais dire, c'est que Abdoulaye Djoufsar, c'est un homme d'État. Mhm. Ça, je peux le dire. Maintenant, si oui ou non il a une, euh, un adversaire coriace, je ne sais pas je vais ajouter une chose toute simple, c'est que Dakar aurait beaucoup de chance de l'avoir comme maire. Il est poli, pondéré, et il connaît les dossiers, c'est un intellectuel plein, je le pense. Il a eu à gérer, il a été dans l'épreuve en gérant euh, la Covid. Mais tu m'as coupé, euh, on parlait de quelque chose d'important. Non, non, par rapport à Bande. Voilà, je disais, hier, hier ce, même Djoussar là, par ailleurs très bon, a dit quelque chose d'extrêmement important. Il a dit ceci, Mouné, que tu sais, en l'élisant, il, il, saura automatiquement ce qu'il va faire. Les autres, quand tu les. Euh, n'importe autre personne que tu élis, il va rester deux ans à poireauter, il ne saura même pas par où commencer. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais rien n'est rien, rien évident, hein. tout est relatif. Mais non, je, je, non, mais généralement, ça se passe comme ça. Lui, il, il sait les dossiers. Et puis, il y a une chose fondamentale à laquelle je voudrais revenir aussi, très important. On a l'impression que les gens, ils euh, méconnaissent un peu, euh, je veux dire, le fonctionnement d'un État. Parce que sans manquer de respect à personne, j'ai comme l'impression que les gens, ils veulent, en fait, euh, en fait, ils veulent combattre l'État à travers leur commune. Or, ça ne doit pas être le cas. La commune, c'est un prolongement de l'État. D'ailleurs, l'adage dit qu'il le, en fait, théorise. C'est le même marteau qui frappe, frappe, mais on en a raccourci le manche. C'est-à-dire, c'est l'État qui intervient mais qui, qui, a des difficultés pour intervenir au niveau le plus proche des populations, qui confie des, compétences aux collectivités territoriales pour gérer avec une autonomie de gestion, avec une, théoriquement une autonomie financière. Tout à fait. Par conséquent, toutes les personnes qui pensent que la, une mairie doit être antagoniste, antagoniste ou faire face à l'État se trompent très lourdement. J'ai comme l'impression, c'est une impression je veux dire que une mairie doit collaborer avec un État, quelles que soient les personnes qui sont au-dessus. Non, non, non, je n'ai je n'ai pas compris. Non, mais Ban, Dakar, on a suivi. Lui, il n'y a pas personne qui a plus défendu Khalifa que Ban. Ban, quand il était à Tahao Dakar, c'était quelqu'un qui était loyal. Il a, participé au combat activement. Quand il a voulu être maire, ça a eu des complications. Maire de Dakar, ce qui, ce qui pouvait être très favorable à la Padoie, des gens l'ont combattu. Donc, on ne peut pas euh, le dénigrer à ce niveau-là. C'est quelqu'un qui a, qui a été là. Après, quand le président de la République, par contre, t'appelle pour travailler à ses côtés, mais mon cher, euh, c'est pour le bien de la Padoie. Je pense que tu es d'accord avec moi sur ça. Mais non, attends, toi, si le. Si toi, Macky Sall t'appelle aujourd'hui pour travailler avec lui et que tu sais en ton euh, âme et conscience que l'APADOA va en bénéficier, tu vas y aller Oui ou non Moi, je pose une question toute simple. <laughs> non, mais, mais nous, on est la population, nous. Les gens Merci beaucoup. Hein. C'est moi qui remercie. Mais je n'ai pas à parler de de mon mentor. Je pas parler de mon mentor, euh, de mes mentors, je vais dire. Ah, bah, il y a... Oui, tout à fait. Donc, je tenais à, je tenais à les remercier. Mansour, d'abord, parce qu'en le côtoyant, j'ai appris énormément de choses, beaucoup de choses. Je pense que c'est bien de l'avoir côtoyé. C'est un formateur, je le côtoie toujours. C'est un formateur qui m'a mis dans son staff. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris la difficulté de gérer. Pendant que beaucoup de personnes, et quand il avait la gestion de l'eau, par exemple, et même du Covid, quand les gens dénigraient, moi je le voyais très fatigué. Tu vois, c'était pas facile. Et je remercie aussi le président Racine, qui a fait un travail, qui fait un travail extraordinaire au niveau du foot, hein, qui m'a donné l'aval de, de, de, collaborer avec. Euh, qui, a, à travers les actes, mais énormissimes qu'il a posés, qui a fait, on va dire, euh, je ne veux pas dire démissionner, mais qui a fait reculer la grande Aïssata Talsal. Donc tu vois nettement le poids du travail fait là-bas. C'est énorme, il faut, il, faut, il faut le voir pour le savoir. Donc je les remercie parce qu'ils ont contribué effectivement à ma formation académique, politique et tout. Donc je les, remercie. C'est des, des, leaders pour moi. Bon, moi je, vais euh, prêcher pour des élections apaisées et que les gens aient la culture du débat qu'on débatte sérieusement, qu'on débatte fraternellement. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Je pense que nous tous, nous aimons la Padoie. On peut, on peut, on peut, on discuter. Et de la discussion, j'ai eu la lumière. Nous de gang. Éviter les attaques à et tout. Et puis, bon, voilà. Je pense que ça, c'est quelque chose à laquelle je tenais. Je tenais à professer ça qu'on ait des élections apaisées, des élections calmes, dans la fraternité et dans la vérité. C'est important aussi. C'est moi qui remercie, mon cher grand. jërëjëf euh, suñu invité mu nekkoon euh, ki nga xamante euh, Boubacar Mohamed Si. donc ci tëj bi dañuy remercier rek ki nga xamante Meng depuis Canada mu baaxee ma ay micro cravate ma koy à la chaîne Padoa TV donc euh, di remercier toute l'équipe technique de ko jaarale ci Ousmane Boub di nuyu imam aussi de ko remercier di jaajëfal ñep mi nga xamanté ni doon sétane émission euh, l'entrevue di len jox di daje benen yoon ci benen ñum yaa def